Il parcourt mot et mot pour promouvoir la culture Bissa. Fondateur du mouvement Bissa Talaïma Minto, Capitaine Gengele est l'invité de la communauté Bissa de la commune populaire d'Atekoubé ce dimanche 29 janvier. À la place du terminus 04 de la commune chère au maire Pauline Daon-Claude, c'est un rockstar que le Kiruru Nankala a été reçu. Mon vraiment c'est pas les luttes qu'elle est en train de faire là, vraiment, c'est pas pour les enfants. C'est pour vraiment, il est en train de faire un grand travail de fond. Vraiment, nous, on le remercie beaucoup. C'est ça seulement, c'est son remerciement que nous, on a fait ça. Nous l'avons invité pour lui témoigner notre admiration pour les combats qu'il mène, a dit en substance Salif. Un combat que le capitaine est venu expliquer davantage afin que nul n'ignore. C'est maintenant que les gens sont en train comprendre notre message. Et ils sont rendus compte effectivement qu'ils sont vraiment en retard. Il faudrait qu'ils retournent à la source. À la source, c'est dans le cadre de la valorisation de notre culture et tradition. Que les gens sachent que ce que peut-être on parle du capitaine, on parle du capitaine Gengiri, capitaine Gengé, et ceci, il faudrait que je lance le message pour qu'ils comprennent que nous sommes dans un combat pour la valorisation de notre culture. Nous ne sommes pas là faire combat pour prendre la place de quiconque. Nous ne sommes pas là. Mais nous voudrons la cohésion et l'union au sein de la communauté, c'est ce qui est important. Et c'est notre mission d'ailleurs, puisque je pense que si on est unis, on devient fort. Et c'est très important, même que ce soit ton fils, quand il y a un problème, tu peux quand même l'appeler très tranquillement. Peut-être tu vas attendre. Tu l'attends très tranquillement en expliquant. C'est là maintenant tu vas voir que non, ça, c'est pas la peine. C'est ce que je leur ai expliqué. ils étaient contents parce qu'il fallait que j'explique. Donc, je l'ai expliqué quand même à la communauté. J'étais fier de ça. Et je suis maintenant que non, euh, mon combat est sur le plan culturel, c'est pas sur le plan de chef. Profitant de l'occasion, le chef de la diaspora Bissa est revenu sur les dissensions survenues après son intronisation en mai dernier. Pour lui, la cause Bissa doit primer et les fils et filles du Boulgou seront fumer les calumets de la paix. Du moment que nous sommes les fils du Boulgou, on a habilité à se retrouver. On va s'attraper main dans main pour pouvoir avancer. Puisque eux aussi, ils sont là lutter pour l'union de la communauté. Et nous aussi, on est là pour l'union de la communauté. Donc, entre deux personnes, nous ne sommes pas des ennemis. Non. Nous ne sommes pas des ennemis. je pense qu'on va s'asseoir, on va causer, on va discuter et trouver une solution pour avancer. Nous, on n'a on a même plus de détracteurs. Et on n'a même pas de détracteurs. C'est l'incompréhension, c'est la mauvaise communication d'ailleurs. Et sinon, il n'y a pas de problème. Au contraire, je suis content, je suis fier, je veux qu'on avance. Et l'occasion aussi, je profite puisque nous sommes dans 2023, ce que j'ai souhaité, que 2023 soit la fin de la souffrance de toutes les Burkinabés. 2023 soit la fin de toutes les déplacés de guerre. Et nous avons confiance à nos autorités, parce que ce que les gens ne savent pas, nous devrons se mobiliser. Parce que tout à l'heure, nous demande la mobilisation. Pour devenir, c'est très important. J'ai toujours dit quand le Burkina dort mal, nous tous sommes mal. Il faudrait qu'on s'unisse. Et c'est sûr et certain, au nom de nos ancêtres, nous allons reconquérir tout le territoire de le 214 m de Burkina Faso. On va le reconquérir. En attendant, le mouvement Bissa Talaï Maminto et son fondateur bénéficient d'une adhésion populaire en témoigne la mobilisation de ce jour. Le capital Guéguéré et le chef Yabré, ce sont des exemples pour la communauté burkinabé. Toujours je dis, et je le répète, la communauté burkinabé n'a pas besoin de des soi-disant qui tournent, tournent, qui critiquent les gens. Tout à l'heure, quand il parlait, il a parlé de beaucoup de choses. C'est-à-dire, nous, on avance. Comme il a dit, nous, on accompagne la culture burkinabé. À couvert ici, de voir cette euh, mobilisation pour dire oui, qu'on est d'accord avec euh, la culture Bissa. Pour dire oui à Satale Maminto. Pour dire oui au capitaine Gengere. Et pour dire oui à Chef Yabré. En tout cas, euh, je suis très heureux de voir cette mobilisation. On dit que un bois qui est dans l'eau ne peut jamais devenir caïmon. Voilà, tu es né Bessa, il faut être fier de toi. Voilà pourquoi nous sommes là pour sensibiliser nos parents. C'est très important qu'on puisse parler le Bissal. La langue, on ne doit pas jeter. Si on revient à la raison, il n'y a rien de tel quoi. Qui prend courage pour nous encourager, nous qui sommes un peu en arrière, qui nous accompagnent pour que nous aussi on, va s'adhérer là-dedans, qu'on voit bien. Sinon, ça nous a plu vraiment. Ça nous a beaucoup plu en tout cas. Félicitations à lui. Vraiment, c'est sa deuxième fois qu'il vient nous rendre visite. Nous, on est vraiment contents. On est fiers d'être avec lui. Bon, on le soutient dans, dans son combat, dans tout ce qu'il fait. En tout cas, c'est juste, c'est bien pour la communauté bizarre ce qu'il parle là, c'est bon. Ça veut dire qu'on n'a qu'à prendre les outils ça et ce que nos parents faisaient avant de continuer à faire. Cette rencontre répond, faut-il les souligner, à une invitation faite à Capitaine Gengere par les Bissada Tekoubé, qui ont voulu ainsi présenter l'Hervé des Nouvel An à leur chef. Un après-midi agrémenté par plusieurs artistes, au rang desquels la cantatrice burkinabé Awakusu.